de Motorola. N'oubliez pas, achetez le E4+, plus le Moto C et le Moto C+. This is 6 um, E4+. Yeah You see it? Ok. Je vous montre ça en direct live à travers le Facebook euh, live de King FM. Là, j'ai mon E4+. plus Voilà, il est sympa. On vient déjà de me dire, euh, vous avez euh, des mails, vous avez ceci, vous avez cela. Vous avez la possibilité d'avoir la météo dessus. Vous avez la possibilité de diminuer. C'est-à-dire qu'il te, dit, OK, d'accord, tu as une alarme. Euh, tu, dois te réveiller à 6 heures du matin. OK. Maintenant, si tu te réveilles à 6 heures du matin, il y a une sonnerie pour le 6 heures du matin. Juste après euh, la sonnerie de 6 heures du matin, C'est dit, OK, d'accord, il y a une lumière bleue. Euh, petite lumière bleue qui fait que tu te réveilles avec cette lumière-là quand tu vas regarder ton portable pour ne pas agresser tes yeux. Et donc, euh, le portable te demande de quelle heure à quelle heure tu aimerais que euh, le portable diminue sa luminosité la nuit, le jour, il augmente la luminosité et parfois même, il y a une autre option qui te dit, d'accord, je vais m'éclairer en fonction de la luminosité du jour. Ah ben Oui. Il y a tout ça, hein Il y a tout ça Bah oui. Android, ah ah téléphone bah, intelligent. Téléphone intelligent Android. Sincèrement, c'est vraiment sympa. Hein, euh. ça, c'est le E4 Le Moto C, aussi sympa. Le C aussi sympa. Vraiment. Allez euh, chez les revendeurs euh, de téléphone et demandez le E4 le Moto C et le Moto C Plus. Euh, gémologue aujourd'hui comme métier du jour. Alors, gémologue, ça consiste en quoi, euh, Joyce Le gémologue, il euh, travaille les pierres précieuses, les métaux précieux et tout ce qui est pierre d'ornement, décoration et tout. Et il évalue l'authenticité et ainsi la valeur marchande. D'accord, ok. Donc, on va parler diamond, yes. <laughs> pierres précieuses. Alors, euh, il paraît que les diamants sont les amis des femmes. Je suis fan, donc je suis friande de diamants. Mais bon, faut avoir les moyens de sa politique. J'ai bien dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Qui sur moi. Ça se que des gogo, Allez, 8h45 minutes, on écoute le magnéto de Joyce, gémologue. Hey, c'est parti pour le rubis. Un métier, par, jour. Le gémologue, spécialiste des pierres précieuses, le gémologue évalue les pierres précieuses pour en déterminer l'authenticité et la valeur. Il est un spécialiste à guérir des pierres telles que l'émeraude, le saphir, le diamant, le rubis, mais aussi des coraux, des ombres et des perles. Il possède à la fois des compétences techniques mais aussi scientifiques. À l'aide de divers instruments tels que la loupe, le polariscope, le dicroscope, le conoscope, le réfractomètre, il est chargé d'examiner les pierres précieuses pour vérifier leur authenticité. Il détermine la couleur des gemmes, leur pureté, la qualité de la taille, leur dureté et même leur origine. Son expertise est capitale car elle permet d'estimer la valeur de la pierre analysée. Elle est sollicitée par des professionnels de joaillerie, fabricants, experts, artisans, négociants, des commissaires priseurs, des compagnies d'assurance et des services de douane. Les gémologues travaillent en laboratoire. Il peut être emmené à voyager dans les pays producteurs et exportateurs de pierres précieuses pour effectuer des vérifications ou des analyses sur place au contact direct avec des produits rares et chers, et très chers même. Le gémologue doit être une personne intègre et discrète. Il doit être précis, avoir une grande capacité d'attention et bien entendu une très bonne vue. De toutes les façons, on n'a pas besoin de myope dans ce métier. Études, évolution, salaire, devenez gémologue. Bintou, Daouda, vous pouvez pas être <laughs> gémologue parce que vous êtes myope, les gars. Oh là là, quelle malchance, hein Ah oui, <laughs> merci. on il faut de tout pour faire un monde. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas être partout à la fois. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc voilà, comme je disais, le gémologue, le gémologue est un professionnel de la minéralogie. Mm-hmm. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de préciser que il euh, y a une grande différence entre pierres précieuses et matériaux précieux. Oui. Mm-hmm. Parce que les matériaux, on peut les transformer, tels que l'or, euh, l'argent, le cuivre, on peut les mm-hmm. faire fondre et tout. Pour les pierres, on ne peut pas, on ne peut que les tailler. Bien. On ne peut pas les faire fondre. C'est ça la différence entre pierres précieuses et matériaux précieux. Mm-hmm. Maintenant, euh, c'est comme on l'a dit dans le, dans le magnéto, le gémologue, lui, en fait, son rôle, c'est d'authentifier, de vérifier est-ce que c'est une imitation, est-ce que c'est une vraie pierre, et ainsi on peut évaluer la valeur marchande de euh, de la pierre. la couleur, la taille, comment je veux dire ça, la pureté. Mhm. Et tout ça détermine effectivement la valeur marchande qu'on peut attribuer à un bijou ou à une pierre. Mhm. Et on en a besoin dans la joaillerie, par exemple les bijoutiers. Mhm. On en a besoin dans la douane, parce que quand on fait des saisies, par exemple, on a besoin de savoir exactement ce qu'on a saisi, quelle est la valeur de ce qu'on a saisi. Effectivement. On en a besoin dans les assurances. Cher, excuse-moi de te couper. Cher. Ce serait bien que tu mettes euh, des images euh, quand même euh, de diamants, de rubis, s'il te plaît. <laughs> Merci. Parce que nous montrer un monsieur qui regarde, c'est bien beau, mais montre les pierres précieuses. Gémologue, c'est pas possible ça. On doit tout vous apprendre quoi. Continue ma belle. Donc voilà. <laughs> Il évalue, il doit Et pouvoir. Il, voilà, il doit, il doit pouvoir faire la différence entre les pierres décoratives, c'est-à-dire le quartz, la topaze, tourmaline, citrine, entre les pierres d'ornement, le corail, l'ambre, le nacre. Et il doit pouvoir distinguer effectivement quels sont les matériaux et les alliages, tels que le platine, le vermeil, tu vois un peu. Mhm. Et pour être gémologue, c'est une formation parce qu'il faut avoir une bonne maîtrise de la géologie, de la géographie, pouvoir dire, ok, pouvoir déterminer, dater les pierres parce que les pierres qui sont plus vieilles, plus anciennes coûtent effectivement plus cher parce qu'elles sont plus pures, elles sont plus colorées, elles sont voilà et donc elles, valent beaucoup plus cher. Il faut faire des études, pour faire des études de gémologie, il faut avoir un cap lapidaire, option diamant ou pierre de couleur. Tu peux faire un BP gémologique à l'Institut de bijouterie de Somo. Mhm. On peut avoir un titre certifié gémologue après avoir un, un bac plus 2 tu vois. Et bon, au Bac plus 2 Oui, bac plus 2. Seulement Oui, oui, un bac plus 2. Ah, ben, ça On peut, oui, avec un bac plus 2, on peut avoir euh, un, certificat de gémologue. Mhm. Et contrairement à ce qu'on peut croire, parce que le gémologue se déplace beaucoup, mhm. comme on a dit, pour aller sur le terrain, dans les mines directement pour déterminer un peu les valeurs, les puretés et tout. Contrairement à ce qu'on peut penser, trois quarts des gémologues sont des femmes. Ah. ah, oui. Effectivement, par ah, rapport bah amour des pierres. Les, pierres, précieuses. Euh, trois quarts des gémologues sont des femmes. Et on peut faire le, le, les dérivés du métier de gémologue peuvent mhm. être bijoutier ou joaillier, mhm. horloger ou tailleur de diamants. Par contre, on peut être bijoutier sans être gémologue. Mhm. On peut être horloger sans pour autant forcément être gémologue. Et aussi tailleur de diamants sans être gémologue. Donc, on n'a pas besoin d'avoir forcément une formation de gémologue pour ouvrir une bijouterie. Mais par contre, on, va devoir faire appel à un gémologue pour pouvoir identifier les pierres, mesurer les pierres et valoriser les pierres. Mhm. Donc en gros, c'est ça. Le salaire de gémologue, normalement, salaire brut, parce qu'après, on a des avantages de service. Quand tu arrives dans une mine, par exemple, mhm. que tu évalues, je euh, je sais pas, 500 pierres, tu peux avoir ton salaire pour ce travail-là, l'heure, mhm. l'heure, il est de 1500 mhm. euros. Mhm. Ah bon L'heure. L'heure, 1500, euros l'heure. Ouh, tu m'as réveillé là. Oui, oui, 1500 euros l'heure, <laughs> environ un million de francs CFA. Et après, tu peux avoir des avantages. L'heure, one hour. Oui, juste une heure. 60 minutes, Un des trois jusqu'à 60 minutes, 1500 euros. un million de francs CFA pratiquement. Et avoir des avantages de service parce que, si tu as bien fait ton travail et que le monsieur ou la dame elle est contente, elle peut t'offrir une pierre par-ci, un rubis par-là, une émeraude par-ci. Et puis tout le monde des contents, mm, mm. Mais ça coûte aussi cher parce que la formation ne coûte pas deux francs. Ah, la formation, même si elle est, elle est courte. Voilà, même si elle est courte, mais elle, est assez... voilà, elle coûte super cher. donc, c'est pas tout le monde qui peut aspirer à être gémologue. Mais vraiment, c'est un super travail. Tu travailles, tu manipules les pierres précieuses. Et il y a un adage qui dit que les pierres précieuses, ont, euh, ça purifie l'esprit, ça purifie l'âme, ça purifie le corps. Ah, moi, ça, c'est la... ça, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que moi, en tout cas, diamant, si quelqu'un veut me donner, je sais pas quoi, donnez-moi le diamant, ouais. Diamant émeraude, ruby Je prends cadeau avec les deux mains. Grial. Ah bah Au Sénégal, par contre, j'ai regardé un peu et on a des universités qui pas forcément, qui ne donnent pas forcément des formations de gémologues, mm-hmm. mais qui donnent des formations de sciences et de technologie et qui après peuvent, après l'étudiant peut voyager s'il a les moyens ou si la famille a les moyens, peut voyager aller à l'ING, Institut national de géologie, mm-hmm. qui est l'une des, des, des, écoles de gémologie les plus en vue en ce moment et elle se situe à Paris. Il y en a deux à Paris et à Lyon. D'accord. Il y en a aussi une à Montréal. D'accord. Mais vraiment, tu y vas, ils font les matières, c'est le, ils travaillent le luxe, que des matières de luxe, que des mm-hmm. filières autour du luxe, diamants, voitures de luxe et tout. Mm-hmm. Et vraiment, c'est chapeau quoi. Après, tu gagnes bien ta vie, tu es pépère. Tu es pépère, ça c'est clair. Tu es pépère, mais il va falloir douiller quand même pour avoir ces deux ans de mm-hmm. gémologie. Et puis euh, voilà, attends, 1500 l'heure, euros. Waouh! Mais euh, justement, euh, il y a beaucoup de diamants euh, en Afrique. Exactement, il y a beaucoup de diamants en Afrique. Tu sais, euh, le diamant, c'est une. Enfin, c'est. Comment je vais dire ça Ce sont des matériaux mhm. souterrains qui se sont formés pendant des millions et des millions, des milliers d'années. Mhm. Tu vois un peu. Et on a beaucoup en Afrique. Et on a beaucoup, on a beaucoup de mines de diamants en Afrique. D'accord, donne, donne des pays. Parce que là, actuellement, dans ma tête, euh, j'hésite. Hein. Donne des pays. vous avez le diamant. Je crois qu'il y a le diamant au Congo. Au Congo, d'accord. Il y a le diamant au Cameroun. Au Cam... Ah bon, vous avez du diamant oui, ah, le bah, diamant au Cameroun. Oh en ce moment même, il y a une dame qui est en mhm. train de, faire une mine parce qu'elle euh, s'est dit qu'il est hors de question que ce soit toujours les Blancs et les mhm. Européens qui viennent exporter le diamant, de nos terres. Donc en ce moment, elle a, une, mis en place une entreprise qui s'appelle Beverly. Mhm. Nathalie Jumissi, elle s'appelle, euh, camerounaise. Elle a mis en place une entreprise, elle a monté une entreprise pour exporter le diamant, exporter les métaux précieux de, nos sols mais de mhm. pouvoir les, vendre à l'extérieur mhm. et ainsi de gagner peu à peu le marché parce qu'elle elle est dans la politique l'Afrique pour l'Afrique mhm. et non l'Afrique pour l'Europe. Donc c'est vraiment c'est des choses qui sont en train d'être mises en place pour que tous nos matériaux précieux, toutes nos richesses nous reviennent et que ce soit nous qui les exploitons. Très bien c'est une très bonne initiative elle a raison parce que pourquoi pas nous, ñi nga xam ne am nañu bi ressources de valeur nous koy exporter Nous, ñu koy utiliser di ko jaayaat te buñ koy jaay ñun duñ ko jaay ci un prix bon xam c'est raisonnable c'est objectif c'est à bas prix lañ koy jaayee après nous, nous dem utiliser ko que prix bon xam c'est très élevé euh, je me dis que diamant dafa que pierre bon xam que très précieux. C'est liggéey bi euh, liggéey boo xam ne ça demande beaucoup de force donc chapeau à ces dames parce que trois quarts de femmes ñoo koy def da nga war a wàcc ci terrain bi donc euh, chapeau à elle beneen côté bi mooy que c'est un métier boo xam ne nekk très risqué parce que dañuy utiliser ay diamant surtout ñi nga xam ne nekk ñu ngi yor ay bijouterie parce que production ba fi nga xam ne nekk vente la ligne la boo xam ne nekk il faudrait être avec les bonnes personnes mm-hmm. circuit yi mm-hmm. euh, protéger ko ba pare sécuriser ko parce que je pense bien que pierre Boutinec ci une matricule amna luñ euh, référence pour après vol bu amé wala yenn situation très bien merci beaucoup oui oui. surtout quand on sait qu'il y en a qui ont perdu leur vie pour peu. oui c'est beaucoup moins que ça. donc c'est vraiment des métiers très dangereux et il faut vraiment être bien entouré bien accompagné surtout quand on est une femme. Euh, vous vous rappelez du film euh, avec Jimon Unsu et puis Leonardo DiCaprio. Euh, en fait, ils ont fait un film, euh, ça parlait de diamants, et puis ça, ça parlait du Congo, etc. etc. J'ai mhm. oublié le, nom du film, je vais, je vais me rappeler tout à l'heure. Mhm. En tout cas, il y avait beaucoup de sang. Disant oui, euh, il y a beaucoup de gens qui ont volé des diamants, qui ont tué des gens pour pouvoir... on appelle ça les diamants de sang. Les diamants de sang, oui. D'accord. Allez, on écoute euh, MASS, hein, le wadou wadou. Euh, apparemment, les internautes kiffent beaucoup cette euh, chanson. Il ne pleut plus au Sénégal parce que les femmes ne s'habillent plus en pagne. Non, mais il est sérieux, lui. <laughs> Allez.